Nous sommes euh, jeudi 18 avril 2024. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou, chères auditrices et auditeurs. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukela Hussein alias Seno et à mes côtés Habiba Ahmed. L'édition est assurée par Adama Dawaki et à la technique, nous avons ce matin Mustapha Ayouba. Bonjour Habiba. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui comme d'habitude à Abiba, nous débutons cette édition avec le flash d'information et s'en suivra la rubrique hebdomadaire éducation numérique qui nous sera présentée par Ousmane, le chef du département numérique et le rédacteur en chef adjoint chargé du numérique au studio Kalango. Dans la partie invitée du jour, nous recevons Joël Senam. le chef du projet Tout Unis Nos Voix Compte de l'association Aka Rumbu. Le projet vise à promouvoir la participation citoyenne et politique des étudiantes en situation de handicap dans les universités publiques du Niger. oui, dans ce même numéro du Niger sur Kalangou, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous conduira à Agadez pour brosser sur la question des discriminations à l'égard des femmes. Il y a le lotis préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et notre passeport. Nous bouclons, nous allons boucler avec euh, les messages vocaux des auditeurs. On débute cette émission avec les flèches d'information. Il nous est présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Bonjour Seno. Bonjour. pour nous ce matin Alors, pour ce matin, il y a le lancement officiel de la première édition de la semaine du numérique au Niger qui se tient aujourd'hui à Niamey sur le thème Le numérique et la souveraineté. Le comité d'organisation de cette édition a déjà exposé hier le plan de communication de l'événement au cours d'une rencontre de briefing entre les médias nationaux et internationaux chargés de la couverture médiatique de la semaine numérique. Et ensuite, la région de Dosso a abrité du 15 au 17 avril un atelier de formation sur la protection des droits humains et la lutte contre les violences basées sur le genre au profit des blogueurs et web activistes des régions de Niamey, Dosso, Tilaberi et Tawa. L'objectif de cet atelier est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs sur les principes et standards de la promotion et la protection des droits de l'homme à l'ère du numérique. Dès le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le gouverneur de la région, le général de brigade Hiro Umaru, a indiqué que le Niger à l'instar des autres pays du monde évolue dans un monde moderne où les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, jouent un rôle prépondérant. Et enfin, dans ce flash d'informations suite à l'explosion d'une mine artisane qui a heurté leur véhicule lundi dernier, au moins cinq soldats d'une unité de forces de défense et de sécurité en patrouille de la zone de Samira, région de Tilaberi, ont été tués et d'autres blessés. Au même moment, des individus armés venus à bord de plusieurs motos ont attaqué le village de Diblo, près de Kokorou, dans le département de Terra, où 13 civils ont été tués par les assaillants présumés membres du groupe EIS qui ont mené ces derniers jours plusieurs attaques contre des hameaux et des villages dans la zone des trois frontières. L'armée intensifie des opérations de ratissage jusqu'au Mali. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci, Rafika. À, bientôt. À bientôt. Comme annoncé en début d'émission, nous recevons ce matin M. Joël Senam. Il est le chef du projet Tout unis, nous voix compte de l'association Akarumbu. Bonjour, M. Joël. Alors, bonjour euh, bonjour à l'équipe du studio Kalangou qui nous reçoit ce matin. Merci, euh, de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nous parlerons du projet Tout Unies, nous voix compte. Mais avant de vous donner la parole, Joël, mhm. écoutons d'abord ensemble ce morceau imohar du groupe Atrinasuf, chanté par les guitaristes Risa Wanarli et ses si jannee. haqin demande de nous attacher à des valeurs et de s'éloigner des haines, l'esprit des guerres pour promouvoir la paix au sein de nos communautés. Il dit aussi que la dignité n'a pas de prix, préservez-la autant que nous pouvons. chers auditeurs, c'était là le titre euh, Imuhar du groupe Atri Nasuf, chanté par le guitariste Gissa Wanahli et ses choristes. À présent, c'est l'heure pour nous de nous entretenir avec notre invité, M. Joël. Rebonjour. Alors, rebonjour, nous Alors, pour euh, commencer, présentez-nous brièvement le projet Toutes Unies, nos voix compte de l'association Akarumbu. Alors, euh, déjà, merci de nous recevoir euh, ce matin. Alors, le, projet tout unis Nos Voix Compte est une initiative euh, portée par l'association Culture Arumbu, à mhm. Et qui, d'abord, il faut aussi que je précise que c'est un projet soutenu par un dispositif euh, appelé Voice, qui au Niger bientôt fête ses 8 ans qui est un dispositif en faveur de l'inclusion euh, euh, et qui soutient des initiatives et des projets euh, portés par la société civile en faveur de, communautés vulnérables. Ça, et parmi ces communautés, on retrouve les personnes en situation, en situation de handicap. Et donc, le projet Tout unis Nos Voix Compte, c'est, c'est un projet qui est parti d'un constat simple. Euh, c'est c'est qu'on a observé qu'à l'université, parce que l'association est une association créée par des étudiants ou des anciens étudiants de l'université Abdoumouni de Niamey. D'accord. On a dû observer que sur le campus universitaire, surtout euh, les, on va dire les, femmes, les, filles, sont très peu présentes dans les espaces de décision. Ok. Voilà, elles sont, elles sont peu présentes. Elles sont peu présentes dans les activités culturelles. Elles sont sous-représentées ou peu présentes ou quasi même absentes, hein, surtout quand il s'agit des activités sportives. Donc, malgré, malgré qu'on ait des espaces euh, pour cela, à l'université de Niamey, je prends par exemple le stade à lyon mm. Quand vous y allez, il y a très peu de, il y a presque pas de femmes qui vont quand il y a des, activités sportives. Euh, en tout cas, elles qui qu'on remarque sur le terrain, quand il y a des activités culturelles, elles sont très présentes, très peu présentes. Et dans Mais les... qu'est-ce qui explique cela Alors, ne sont pas informés Alors, qu'est-ce qui explique cela Je pense que c'est... Euh, là, on parle des, femmes. OK. Ah, euh, en général et tout. Donc, euh, je pense que ce qui explique cela, c'est le... C'est les c'est les représentations, c'est les, les idées reçues sur la place de la femme dans l'espace public. Je pense que on a, on est même à l'université malheureusement, ça se perpétue mm. et on se dit ok, euh, la femme doit être reléguée au second plan. Mm-hmm. Voilà, donc euh, c'est, et nous on est en train de faire ce travail. C'est un travail collectif avec des, des partenaires euh, de l'université qui travaille sur le territoire universitaire et mm. au-delà. Donc euh, ce projet est parti de ce constat et on, on, a, on a remarqué que en parlant de femmes, celles qui sont euh, en situation de handicap sont quasiment Absentes. Absentes. Donc, ce qui fait que, voilà, dans cette communauté, on va dire entre griffes, excusez-moi du terme, de, personnes sous-représentées, donc vulnérables, il y a, une couche qui est, qui est qui Et on s'est dit, on pourrait travailler avec ces, jeunes filles, mais en utilisant. Nous, notre approche, c'était d'utiliser euh, l'art, la culture et surtout le théâtre pour les autonomiser. Et quand on parle de, l'autonomisation, c'est surtout d'abord qu'elles puissent euh, libérer la parole, qu'elles puissent produire aussi des, des récits qui sont des récits de leur vie à elles par rapport à comment est-ce qu'elles vivent leur situation au jour le jour à l'université et au-delà et c'est quoi pour elle l'inclusion euh, dans le Niger d'aujourd'hui dans le Niger de demain. Voilà, merci. Alors Joël, quels sont les défis spécifiques auxquels font face les étudiantes en situation de handicap dans les universités, plutôt dans les universités publiques au Niger, en termes de participation citoyenne et politique Alors, j'ai moi je vais parler de ce qu'on a pu observer sur le terrain. Mm. C'est un projet qui, il faut qu'on précise que c'est un projet qui, qui est mis en œuvre à l'université de Niamey Abdoumouni et à l'université de, Maradi, à l'université euh, d'Andiko de Maradi. Et nous travaillons avec 15 jeunes femmes euh, à l'université de Niamey et 15 jeunes euh, femmes à l'université de Maradi. Elles sont euh, toutes en situation de handicap. Et à la base, nous, avons souhaité travailler qu'avec des étudiantes. Et à distance de, ces, Non, on, va, on fait le terrain. on, on, y va aussi. Donc, la preuve, la semaine prochaine, on est à Maradi. Et donc, on travaille avec 15 jeunes étudiantes. Euh, l'idée, c'était de travailler avec 15 jeunes étudiantes à l'université de Niamey et 15 autres jeunes étudiantes à l'université de Maradi. Mais euh, pour répondre, par exemple, à la question du défi, c'est que euh, euh, elle, je sais pas comment dire ça en, termes clairs, mais on, a perpétué des, schémas de, de représentation parce qu'on a des idées reçues, parce qu'on a des préjugés sur la place de la femme plus largement dans la société. Et elles, elles viennent à l'université avec cela. La preuve, euh, récemment, pour raconter une petite anecdote, chaque fois quand j'arrive à la place AB pour parler du, du projet, la place AB, c'est un espace qui, qui on a on a 2000 euh, étudiants. qui sont là quand il y a des activités. Mm. Donc je pose la question euh, toute simple de dire OK, est-ce que en 2030 on est en 2024, est-ce qu'il est possible qu'on ait euh, une SG à la tête de Lyonoun. <laughs> Il y a eu des noms, il y a, il y a eu des oui et malheureusement, il y a eu des jamais. Mm. Donc, tout ça, c'est pour dire que le Niger de demain aussi part de l'université. Mm. Donc, euh, nous, on est en train de faire ce travail pour que les filles elles-mêmes d'abord puissent prendre conscience de, puissent dépasser leur complexe, puissent libérer la parole, puissent dire je suis femme, je, je, je m'accepte déjà tel que je suis euh, euh, et, et, je ferai tout pour rayonner sur la scène universitaire. C'est déjà ça. D'accord, hein. ok. Avant de poursuivre, euh, marquons une petite pause musicale avec la célèbre troupe Owi, Ouyan. Voilà, <laughs> voilà ça c'est en Touareg. Oui. C'est en Tamashek, j'allais dire. En <laughs> voilà. On vous laisse kiffer, chers auditeurs. On revient juste après. l'importance d'un alphabet. Toutes les langues parlées ont des alphabets. Ici, c'est lui qui est chanté est celui de Tamashek, appelé le Tifinagh. Il permet l'apprentissage de la langue aux autres ethnies et sert un outil de connaissance de l'histoire du pays. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le morceau de la célèbre troupe Oyuan d'Agadej, tout en espérant que vous avez kiffé. Poursuivons avec nos échanges avec notre invité, M. Joël Senam. Je rappelle qu'il est le chef du projet Toutes Unies Nos Voix Compte de l'association Akarumbu. Alors, euh, Joël, euh, quelles sont les activités concrètes que votre projet entreprend pour favoriser l'inclusion et l'engagement politique de ses étudiantes alors, nous, je, je, je le disais euh, tout à l'heure, on est une organisation culturelle. Donc, nous, notre approche est, centrée autour de, autour de comment est-ce qu'on déploie des outils euh, artistiques euh, et comment est-ce qu'on déploie, des, nous, à partir de nos compétences, comment est-ce qu'on on met ces, cela en, à contribution pour que ces étudiantes puissent produire des récits sur elles. L'idée, c'est que euh, par exemple, je vais pas en supposant euh, que je prends un personnage parmi elles et que mm. c'est pas nous à nous de de, de, produire un récit, de raconter son histoire à elle. C'est elle qui vit sa condition dans sa peau, c'est elle qui vit ses difficultés chaque jour. Donc l'idée, c'est que par exemple à travers le théâtre, qu'on puisse par exemple, on est en train de faire une création là actuellement avec elle, mm. une création euh, à partir de leur histoire. Et leur histoire, c'est parfois les histoires, c'est des histoires douloureuses. Donc c'est pas que leur, leur, histoire à elles, c'est des histoires qu'elles ont entendues à la radio. C'est aussi les histoires des autres. C'est aussi donc comment est-ce que on, fait, on met tout ça ensemble pour produire un récit. Donc pour parler des activités, qu'est-ce qu'on a fait On a fait euh, des bootcamps on a fait euh, une série de bootcamps et à Niamey et à Maradi sur la prise déjà de parole en public et sur euh, la participation euh, politique des femmes à, l'université. Et je ne vous coupe pas la parole, vous avez prononcé un mot qui nous semble un peu compliqué à comprendre. Bootcamp, est-ce que vous pouvez détailler alors, ce ça Alors, un, bootcamp, c'est. Nous, on l'a pensé sur, sur cinq jours. L'idée, c'est qu'on on, puisse organiser euh, une activité en retraite. Ah, c'est comme une retraite euh, où euh, on, est, on, est, on, est, on, est, on est vraiment à, fond dans, dans, dans, dans, la, dans, la, dans les discussions, dans les échanges, dans la création. Donc, c'est un peu ça. C'est, nous, on l'a pensé comme une retraite, en fait. Et donc, en, plus de, en plus de cela, nous, au sein du dispositif Voice, euh, qui, qui, soutient notre programme. Il y a, un, en fait, il y un programme qui est au cœur de, de, tous les projets qui sont mis en œuvre, c'est le lien apprentissage. L'idée, c'est qu'on puisse connecter, nous, nos détentrices de droits, on les appelle des détentrices de droits, on ne les appelle pas des bénéficiaires, parce que, voilà, c'est un lien avec les questions de dignité. On ne dit pas que tu es, bénéficiaire, on dit que tu es détentrice de droits mhm. et que tu es et que ta voix compte au cœur de, l'initiative. Et donc, il y a, un dispositif de lien apprentissage qui permet de connecter mm. nous, euh, par exemple, les filles avec qui nous travaillons, à d'autres organisations qui travaillent aussi sur des questions similaires il pour qu'ils puissent échanger, apprendre les unes des autres. parlant euh, de cela, euh, comment est-ce que le projet euh, collabore-t-il avec les autorités universitaires et les organisations gouvernementaux pour promouvoir les droits et les opportunités des étudiantes à situation de handicap alors, comment est-ce que sur le. C'est un projet qui est ancré sur, le, sur les territoires universitaires. Ça veut dire que toutes les activités que nous faisons se fait à l'université avec, les, avec les. Les autorités universitaires. Avec, oui, avec la communauté universitaire, avec les autorités universitaires. Euh, récemment, on, est, on, a, on a engagé des discussions avec le. Agname comme à Maradi avec euh, le c'est le Centre national des œuvres universitaires qui est chargé de tout ce qui est de tout ce qui est, on va dire, de tout ce qui est logistique, bâtiment, bus pour, les étudiants et mm. tout. Donc l'idée aussi, c'est, qu'on, puisse euh, arriver à, prendre, à prendre en compte les besoins des étudiantes handicapés, des étudiants handicapés plus globalement ou en situation de handicap, quand on, quand on pense à, une, à un, à, un, nouveau bâtiment, quand on pense mm. à des infrastructures, il faut prévoir des rampes, il faut prévoir des dispositifs de, de, de, d'apprentissage pour des, pour des personnes malentendantes. Parce que nous, par exemple, on a eu deux récits où on nous dit que, par exemple, qu'il y a deux étudiantes qui ont dit, moi, je suis malentendante j'ai souhaité m'inscrire à l'université, mais à cause de ma condition, euh, mon dossier à plusieurs reprises, n'a, oui, n'a pas, n'a pas eu de suite favorable. Donc l'idée, c'est aussi qu'on puisse engager des discussions pour, euh, euh, sur, pour, sur le moyen et le long terme, penser à cela. Et voilà. Créer un cadre spécifique uniquement pour ces personnes-là qui sont en situation de handicap. Oui, créer un cadre, mais pas un cadre, euh, à, euh, pas un cadre à part. C'est mhm. un cadre dans l'université, avec l'université, parce que c'est aussi ça. D'accord. Alors, Joël, pouvez-vous partager des exemples de succès ou des réalisations significatives du projet depuis son lancement Alors, des exemples de, de, de, de on va dire, de succès. Euh, alors, nous, euh, je vais parler, par exemple, je vais prendre, par exemple, un effet que que qu'on a pu observer avec ce projet, c'est que euh, les les, je parlais de Niamey, on y a Niamey. Je, vais prendre aussi un exemple à Maradi. Euh, à Niamey, euh, les, détentrices de droits avec qui nous travaillons euh, ont, depuis peu pris l'initiative aussi à elles de s'engager pour pour, nous aider aussi à préparer les activités et amplifier euh, nous nos actions au sein de la communauté universitaire. Mm. à leur niveau en, organisant des activités entre étudiants, pas seulement qu'avec des étudiants mm. euh, handicapés ou en situation de handicap, mais seulement euh, aussi avec d'autres étudiants pour porter des pour porter, pour amplifier un peu la voix ou les voix autour de ce projet. D'accord. Alors, euh, il nous reste un tout petit euh, quelques secondes mhm. <laughs> pour euh, vous dire au revoir. Avant de vous dire au revoir, plutôt, mhm. et on va vous poser une question que vous allez essayer de répondre d'une manière résumée. Quels sont les, prochains objectifs ou initiatives que tous, toutes unies, nos voix comptent, souhaitent atteindre dans un avenir proche alors, euh, euh, à, court et à moyen terme, nous, on est, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on est engagé avec plusieurs euh, partenaires sur, sur le campus et la commission des affaires féminine ici à Niamey comme à Maradi. Mm. C'est, c'est, c'est le, c'est le c'est le CRU, c'est, donc c'est un peu ça. Et nous, notre, projet, euh, on a décidé de produire un film de capitalisation. Ça veut dire que dès le premier jour, il y a une caméra qui nous suit jusqu'au dernier jour pour voir aussi l'évolution. C'est, ça a été quoi les défis, ça a été quoi les résultats, ça a été quoi les succès. Et l'idée, c'est qu'on puisse utiliser ce film et la création sur laquelle on travaille actuellement comme des outils de plaidoyer mhm. pour continuer à amplifier, euh, euh, comment on dit, euh, amplifier en tout cas les, les, les, voix de, de, de ces communautés-là. Voilà. D'accord. Mm. Merci infiniment, Monsieur Joël. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci, à vous. Excellente journée à vous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Excellente journée. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez la réécouter sur notre site web, le www.studiocalango.org. Voilà, c'est à présent, c'est le moment pour nous euh, d'attaquer notre rubrique hebdomadaire et nous sommes jeudi. Nous allons parler éducation numérique et nous sommes aussi euh, en compagnie de notre. Euh, euh, chroniqueur, n'est-ce pas, ah le chef euh, du desk euh, numérique. Il s'agit de Ousmane. Bonjour. Bonjour Sano, bonjour à tous. Bonjour Ousmane. Bonjour Abiba. On compose tous machinalement le plus 227 pour le Niger Ousmane, lorsque nous appelons depuis un autre pays. Mais d'où viennent ces indicatifs et qui a décidé de leur répartition Alors, donc ce matin, nous allons parler des indicatifs téléphoniques euh, donc, mais avant d'expliquer, quand même, il faut rappeler ce qu'est un indicatif téléphonique. Donc, chaque fois que vous voyez le plus, le symbole plus devant les 227 pour le Niger, ça veut dire que euh, il est mis à la place de 2 zéros. C'est soit 00227 ou plus 227. Donc, c'est la même chose que 00227 plus 227. Et donc, au Niger, l'indicatif se limite à 227, ces trois chiffres. Les chiffres sont euh, donc qui vont suivre après, après ça sera le numéro du téléphone de, la personne en question. Donc l'histoire commence il y a plus d'un demi-siècle avec l'Union internationale des euh, télécommunications qui s'appelle donc en abrégé UIT. Euh, et donc cette organisation internationale a été créée depuis 1865, ça fait plus de 150 ans aujourd'hui. Quand on y pense, ça fait très très long. Donc c'est elle qui supervise, réglemente les télécommunications à l'échelle mondiale. Donc mais l'IUT a donc été par la suite intégrée aux Nations Unies. Ça a été en 1947. Elle est devenue l'institution qui supervise vraiment maintenant, qui normalise et qui réglemente les télécommunications internationales. Et pourquoi euh, était ce, ce nécessaire Alors, les indicatifs ont permis de simplifier et d'uniformiser les appels internationaux, un peu comme un langage commun pour tous les téléphones du monde entier. Donc, par exemple, si une personne euh, au Niger et une autre qui est au Mali ont le même numéro de téléphone parce que ça peut arriver, les indicatifs permettent en fait de les différencier. Donc, chaque numéro de téléphone est donc unique pour pouvoir passer les frontières d'un État à un autre. C'est vrai, c'est vrai que ça simplifie les choses. Mais comment ont-ils attribué ce numéro à chaque pays y a-t-il une logique précise, Alors, il n'y a pas vraiment de logique euh, derrière ça. Il n'y a pas une liste où le Niger, par exemple, est 227e euh, dans le domaine. C'est ce qu'on entend souvent. L'UET a, juste divisé le monde en neuf zones géographiques. Donc, il y a la zone 1 euh, qui concerne l'Amérique du Nord, donc les États-Unis et le Canada, le plus 1. Il y a l'Afrique, la zone 2. Ensuite, vous avez l'Europe qui est devenue la zone 3 et la zone 4. Puis vous avez l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale en zone 5, la Russie en zone 7, puis le Moyen-Orient en zone 9, l'Asie en zone 8 et enfin l'Océanie en zone 9. Euh, mais pourquoi le Niger euh, s'est se, retrouvé avec le plus de Alors, euh, l'attribution des, des, des, des, indicatifs, <laughs> je vais y arriver, c'est <laughs> faite en tenant compte de plusieurs facteurs en fait. Donc, il y a le facteur, le poids de la population de chaque pays, son influence mhm. dans les négociations internationales et l'existence de systèmes de numérotation nationaux préexistants. Donc je sais que pour les États-Unis, bien avant l'UIT, ça existait déjà. Hmm. Donc c'est pour ça que les pays développés comme les États-Unis ont le plus 1. Ça veut dire que c'est des pays vraiment très très forts hmm. qui, étaient, qui étaient là depuis longtemps. Il y a la France aussi et l'Allemagne qui ont le plus 33 et le plus 44 du moins pour l'Angleterre. Donc là aussi, c'est des numéros assez simples à retenir. Et en Afrique, c'est l'Égypte finalement qui a l'indicatif le plus simple à retenir avec le plus 20. Donc nous tous, euh, nous, euh, on a trois chiffres et eux, ils en ont deux. Il y a l'Afrique du Sud aussi qui a le plus 27. Par contre, vous avez des pays euh, plus petits, qui, n'ont pas un grand poids sur l'échelle internationale, qui se retrouvent même avec quatre chiffres. C'est par exemple le cas de, des pays euh, qui, sont situés au niveau des Caraïbes, comme Sainte-Lucie ou la Jamaïque, qui ont respectivement plus 1758 <laughs> ou plus 1877. Ah, ah, c'est intéressant. On compose ce chiffre sans se douter de tous les contextes historiques et politiques la renferment. Oui, oui, il y a une très longue histoire derrière. Donc là, franchement, on a voulu faire un peu de l'abrégé. Et l'aventure de ces indicatifs-là ne s'arrête pas là, parce que l'UT continue de gérer l'attribution des numéros en fonction des évolutions des technologies. Donc l'arrivée de la téléphonie mobile, de l'exposition, euh, de l'explosion plutôt d'Internet, ont nécessité de nouveaux codes et une gestion encore beaucoup plus euh, rigoureuse. Voilà, c'est tout, je crois bien ou euh, ça reste euh, Non, non, non, c'est tout pour cette semaine. Euh, on a choisi de faire vraiment très très court et c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, on mettra tous les liens en description de la midinale d'aujourd'hui. Merci infiniment. chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Prenons encore une petite pause musicale avec cette chanson de Bambino. Voici pour vous Ayo Nigal. C'est parti. Ayo Nigal. <laughs> doser sa madrana Daktara lam taitu يريد مال تاميديتي يدك دوسر سا مدرانا دكتور علم تهيد تريد تاميديتي Israel Bambino continue de nous séduire avec euh, son talent de guitariste le plus écouté au Niger. Il fit euh, tout récemment nommé Grammy Award après avoir rempli euh, des salles en Europe et aux États-Unis. Il revient au Niger en, en portant la chemise de la star de toutes les générations.

musique Ayo Nigla de Bombino. C'est nos places à l'écho des régions. Oui, Habiba, le reportage à région de ce jour nous amène à Agadez pour parler de la discrimination faite à l'égard des femmes dans les services publics et privés. À Agadez, la discrimination à l'égard des femmes dans les cadres de leur travail dans les services publics et privés est aujourd'hui une réalité. Euh, quelques cas ont été enregistrés et pris en charge par le service régional de la promotion euh, de, la de la femme et de la protection de l'enfant. Détail dans ce reportage de Moussa Maman.

sai dai in zo in zamna a tura mutane su tai can su yi aiki maimakon ni in yi aikin da ya kamata in yi bani nan ganin shi sai dai wasu suke yi amma plus kenan bai dace ba haka nan kuma su aikin da suke saboda ni ina control ina hana cin hanci da rashuwa ina hana shi ne ba a su shekara goma ina zamna bani aiki sai dai in je in taho in zamna biro malgré les efforts déployés pour lutter contre la discrimination cette pratique longtemps décriée reste monnaie courante dans tous les secteurs d'activité, explique Soule, qui est délégué du personnel d'un service public. tabbas ni na san da shi in a biki aikin mu Zainabu Sidibe. O mu dai mun sha magana tunda aikin ta ne ta je ta yi karatu bisa kan shi kuma ya kamata a bar ta yi aikin ta saboda bunƙasa komin ɗin da kanta. To ba a bar ta ta yi ba sai aka ba waɗansu suna yi su kuma ba merin ba suke ƙarawa suna ƙara kansu ne da wannan aikin da suke yi. To mu mun sha magana gaskiya mun sha zuwa wurin manyan namu dangance da matsalolin da ake fuskanta. Représentant plus de 50% de la population, les femmes jouent un rôle multiple et multiforme pour le développement d'un pays, d'où la nécessité de les intégrer pleinement affirme Madame imera Nana Barira. Elle est chargée de la promotion de la femme à Agadez. Mata sun daɗe da suna fuskantar musgunawa cikin ma'aikatan nai, amma a yau abubuwan nan suna nan suna ragewa saboda mutane suna nan ga lura suna ganewa wa. mata ma suna kawo gudunmuwarsu suna kawo ƙoƙarinsu cikin ayyuka na cigaban ƙasa, cikin ayyuka na ma'aikatan ne na gwamnati da ma'aikatan ne masu zaman kansu. Yana mu abin da muke yi sasantawa ne, mu kwatanta musu mu duka bori guda ne muke matsayi. Aiki ne dai muke Au Niger, comme dans la plupart des pays, la question de la promotion et de la protection des droits des femmes est devenue l'un des plus importants problèmes qui préoccupent la communauté nationale et même internationale. Voilà, euh, merci Moussa Maman pour ce reportage. Attaquons la passeport, euh, n'est-ce pas Habiba oui, c'est non. Et c'est avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Abiba, bonjour Seno. Bonjour Adam. Alors euh, nous ouvrons cette page du sport. Nous allons aller à la découverte d'un club de basket dénommé BBZ, n'est-ce pas Eh bien oui, notre cher collègue Assemi Gourouza nous a fait le portrait de ce club. Ce club de basketball qui a suscité l'attention des passionnés de la balle au panier, comme il aime le dire. Le club a été créé en 2018 avec quelques poignées de joueurs et chaque soir, ces jeunes se retrouvent à la Blue Zone pour les entraînements. Aujourd'hui, ce club de basketball BBZ compte une vingtaine de jeunes âgés de 12 à 21 ans répartis en quatre catégories. Selon le promoteur de ce club, Rachid Abdoulaye, l'objectif de ce jeune est d'aller loin dans cette discipline jusqu'à défendre les couleurs du Niger. Adam, est-ce que le club BBZ a des moyens de sa politique ça, je ne crois pas. Parce que ce club n'a jamais eu le soutien depuis sa création en 2018, ni de la Fédération nigérienne de basketball, ni de la Ligue, et moins de personnes ressources. Ces jeunes ont l'amour de cette discipline et c'est entre eux qu'ils essayent de soutenir quelques dépenses. Donc, dans ces conditions, la réponse est négative. <laughs> Ok, d'accord. Euh, la formation d'Al Alhi, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le mot. Oui, oui, <laughs> effectivement. au cœur a remporté euh, la Super Coupe d'Afrique de, handball, n'est-ce pas Oui, c'est nous. C'est pour la troisième fois que ce club égyptien remporte ce trophée continental. al a battu son voisin, le Zamalek, sur le score de 23 à, 23 euh, à 21. Grâce à cette victoire, al obtient son billet pour le prochain mondial des clubs prévu en Arabie Saoudite. Notons qu'Andam, dame, Primero Agosto, vainqueur face à leur compatriote Petro Atlético de l'Angola sur le score de 31 à 28. La flamme olympique a entamé son périple vers Paris, n'est-ce pas Oui, Abiba, la flamme a été allumée mardi en Grèce avant d'entamer son premier périple vers Paris. À Paris, le compte à rebours a officiellement débuté pour les Jeux olympiques 2024, avec seulement 100 jours restants avant le coup d'envoi de l'événement sportif le plus attendu de l'année. Un relais de porter le flambeau va parcourir un itinéraire de 5000 km à travers la Grèce avant de remettre la flamme aux organisateurs de Jeux à Paris, à Athènes, le 26 avril prochain. C'est la fin de cette euh, chronique. À demain pour euh, un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations. C'est nous qui est la star du jour Et eh oui, euh, <clears throat> dans notre rubrique portrait, nous allons à la découverte de Sanda Sadou. Voilà, un jeune berger <clears throat> qui s'est reconverti en soudeur à Gourou, Keina, village euh, rattaché à la ville de Niamey. Écoutons son portrait avec euh, Oumou Umaru. Âgé de 27 ans, Sande Sadou est un ancien berger qui s'est reconverti en soudeur. Ses yeux autrefois inscrits dans le vaste étendue de pâtirage sont désormais concentrés derrière de lunettes protectrices observant attentivement la fusion des métaux. Son expérience est celle d'un artisan déterminé, fier de son nouvel métier de soudeur, un savoir-faire qu'il a acquis après six ans d'apprentissage. Habitant de Gorukaina, village rattaché à la capitale Niamey, Sanda Sadou nous explique son parcours. arande mi duranno wakkati ma laasibi mi daɗum so coƴƴiimi e gollal junngo suudirni enna ene diga coƴƴiimi to enen yimɗe ɗum hawta e golle amin wodani min avantage ni ene yeeso nde mi ekkitigal nde ko mbawmi waɗi duuɓi jeego e nder maggal ko ekkitimi ko addatimi ni mi waawi pittumi jooni waɗi duuɓi ɗiɗi ko pittumi ko hoore an ni enna wallahi tokkol tokko jadiragal ne hokki kan ɗum jadiragal gaɗa yimɓe tokko o holli kan ɗum e go ango gaɗo suudere min dokka mi duro sa mi ko makko no ɓuri tokkum to makko aujourd'hui il a installé son propre atelier de soudure et arrive à subvenir à ses besoins mi diggo pittu min dokka alhamdulillah togoji meɗen jooɗi togoji e dokka meɗen keeɓa min diggo pittu min noon ke ummi ceede ko gaɗumi joom suudu fa waɗi joomumen suuɗ ɗiɗi fa allah hokki kan sa'a mi soodi nokkure min ñiɓi ɗum ɓeɗ nokkure ngomi jo miɗa jooɗi wala de louwe nek allah ettama ani e joni rafi gollal ni gongal ɗum eɗen jooɗi joni sukaɓe tati go ɗumi loktima sukaɓe jeego go ɗum mais joni sukaɓe tati go ɗumi joni ɗum daari ke kap emin gaɗi satogo emin keeɓa keedi guine julio ami min pa wuuro amma min mbayri hebde ano contrat ji mawɗi mawɗi ni enna wallahi min mbayri hebde to Sanda Sadu revient sur les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Darum ko godo mi der gollagal mi wodi muradu ar gollir mi wawi gollagal amma ar gollir wallahi gal na kan endo ko goyo no bayi su ka be kitata ni ndeni ar gollir gala san ni na nan tabel dum e golle de amma de meden keba golle ni na gomnati ni no wodi ko yerna ko adi fudon e pata ko hebe Halad Bouba, un de ses clients trouvé dans son atelier témoigne de son professionnalisme. to gaskiya da ya mutum na mai adalci mutum na kuma wanda ba shirk ya bai sun tashin hankali tunda babu wanda taba caga abin da taba yi sai dai mutunci tsakanin shi da mutane sai dai kuma in yi aiki ana yaba da shi gaskiya ya cika alƙawali nan da nan kusan shekara hudu da muke rai tare hakan ga babu wanda ya taba ci a shi da rikici ko a shi da wani abu hakan ga gaskiya ya da kokari tunda duk yaran da ya koya ma har sun ka iya kowane yanzu ya kama kanshi mato uku kowane ya buɗe nashi atelier sare conversion de berger en souder illustre la résilience la détermination et le courage nécessaire pour embrasser de nouveaux défis C'était le portrait de Sanda Sadou réalisé par Oumu Oumoro. Chers auditeurs, pour réécouter les journaux et les magazines du studio Kalangu, appelez les 3D5 gratuitement jusqu'au cinquième appel et 15 francs CFA au sixième par appel via la puce RTL. Voilà Habiba, euh, à présent chers auditeurs, bouclons ensemble notre playlist musicale d'aujourd'hui avec ce titre euh, Bangane Shiba de Makosa de Nyami. C'était là le titre Bangane Shiba de Makosa. Euh, Abiba. de quoi parle le loti du jour La rubrique loti du studio Kalangu porte sur les jeunes filles célibataires qui tardent à se marier. Dans la société, elles sont nombreuses ces filles qui sont indexées par la communauté. Et oui, dans cette discussion, les femmes du studio Kalangu attirent l'attention des gens sur le fait que le mariage est une question de temps. Écoutons Samira Rouafi, Rakia Arimi et Mariam Adé. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Asiya da Allah daina na dannan wayan nan ki maza ka mu taimaka makara ga wanga tawon. Mm, Aisha kullum kina gaugawa abin da gani nan bayan ki wani labari dai ne nike nan nike karantawa watakila mata a amfane ki. Wani irin labari ne wannan? Wai za a tsaye da duk wata zirga-zirga ta kasuwanci. Kai Aisha kullum ina gaya miki ki bar bin wa'anga labarai na ƙarya za ki kirkira ma kanki da matsala wata rana Allah anya kin gani an hiddo da wata takarda da aka sa mata wata lamba da ke goyon bayan wanga abin da ki faɗi a'a ban gani ba to dan Allah ki daina ki maza mu tafi to kina da gaskiya na yi shiru kafin in ja mu kaina wata matsala da hakan zai fi miki kyau <laughs> ke duba fa kamar raliya ce nake gani can ke ita ce tsayan yi kiranta raliya ke raliya Aisha, Hasiya kuke tun ƙarshen karatun da ba mu ga juna ba? Wallah haka ne ina jin mun kai ma shekara shida. To ya ne, mi ke labari? To ga nan dai nan kusa nake aiki. Kin yi aure? A'a. Wayo har yanzu, haka ne. Kina nan kina zaben miji. kina nan sai kin tsuha a'a ba haka nan ban lokaci daina bai yi ba ke raliya kan ma ki saurare ta dibo kan mu kwashe miki duk lokacin ki Allah dai san inda zaki mu wani lafiya gaskiya na ji daɗin ganin ki to a wani lafiya kuma to galiya sai mun yi kiran juna hasiya wallahi ban ji daɗin abun ga da kika yi mata ba ni wallahi har na ji wata kunya kai na zo ki ga da ya ƙaba ni nai kuma ya zaki ki ce magaliya har yanzu tana nan ba ta yi aure ba hm, kin san matan yanzu suna nan sai zaben miji ba su tsayawa ga guda in ba su ce ba mai kuɗi sun ce mai kyau ke dai to kai ki ƙara gayin haka ke san mace ba ita ke tashi kai tsaye ba ta ce ita aure za ta yi kuma kin san cikin irin garin da muke da rayuwar da muke yi ta yau da kullum ba ita bace za ta zaɓa ma kanta miji kamar kaka ba ita za ta zaɓo ma kanta miji ba to iyayenta ne za su kawo mata mijin suna iya yin haka amma ba a latilas ba amma ina son ki san da cewa ko da an ce a halin yanzu tana da saurayi in dai shi bai ɗauko kuɗin shi ya kawo gidansu ba ba ita za ta ɗauka kuɗi ba ta kai makanta aiko gaskiya kam to kuma in Allah bai kaddara za ta yi aure cin rayuwarta ba fa to yaya zan yi in sani Aisha to tun da baki sani ba ki bar gani irin wa'anga magana hakan ga yanzu tana wa kin ta wani dogon lissafi Allah ɗaya san ita abun da take ji yalla ta yi ki jin ciwon auren ga da bata da gaskiya kam zancen gana ke yana da kamshi to kin san ban san da abin zai zama hakanan ba kuma na yi hakan ne ba don saboda kuma in bata mata rai ba ke rai kai ba na sake ba nan zuwa gaba to hakan dai zai shi kuma in kina son ki gwadi ke mai kirki ce hasiya sai ki ma mijinki ya ɗauke ta ya maida ta matar shi ta biyu a a a a hmm. kin zo ƙarshen fimkin inda bandi zai kashe mai fimkin yaya hakan bari ba mu kai nan ba zan dai mata addu'a Allah ya kama ta mijin nagari gaskiya kina ba mutum dariya to amin na je gidana ma yi kiranta in tambaye ta gafara watakila abin ya mata zafi to ba damuwa Passons à présent à la rubrique culture linguistique en Fulfulde et ça sera avec Ali Nieli. Bonjour Ali. Bonjour Seno et bonjour euh, Abiba. Comme vous le savez, nous sommes bien en mois d'avril et au Niger qui parle du mois d'avril parlera certainement de la chaleur. Notre mot du jour pour la culture linguistique est chaleur. Le mot chaleur a été expliqué en anglais, en français, en hausa et aujourd'hui nous allons l'expliquer en fulfulde. Jama'are hitinani be sigilaji niger sur kalangu Jamweti e modon. Hande lewru avril taweɗen Eden andi du ko do e leydi niger neɗɗo fuu wi'i haalan lewru avril du endan, Halan tabbat do guleki gonkino wada. guleki ni fa handen ki wawi yottade e terde degré celsius de nay e joyi ɗum du saabi ko hannden ni en kalan dow guleki ki enɗan guleki yasin no woodi guleki ɓandu duni fa hannden no woodi denne ngam hisinde ko e meɗen guleki ki enɗan ni nder wakkati o enɗan no wodi sanne paamen de kanuɗen wurtade yasin na joɗade wuro na joɗade nder cuuɗi meɗen na sorude ɗowdi eɗen kani duni fa hannden yarude ndiyam sanne nder wakkati o enɗan ngam ɓeydude sembe ndiyam ɓalli meɗen na nawtorade duni fa hannden nebele ɓandu hisude guleki nange ki enɗen de ni allah waɗi eɗen burto non du fa hande ni eɗen burto du no woɗi gattoɗen malfare, na tengare meɗen Gan hisude nange gi enɗen hettinaniɓe niger sur Kalangu ngu durwe hisude sari guleki ki enɗen ni der wakkati mo tawaɗen o alors voilà tout pour aujourd'hui bonne continuation Merci Ali à bientôt. Chers auditeurs, rejoignez-nous sur le club WhatsApp du studio Kalangu en enregistrant ce numéro le 80 06 88 54. Je dis bien le 80 06 88 54 et envoyez un message WhatsApp Studio Kalangu au rythme du Niger. Vous pouvez désormais télécharger l'application du Studio Kalangu dans Play Store Studio Kalangu au rythme du Niger. Voilà, chers auditeurs, euh, nous allons à présent écouter quelques messages envoyés par vous-même. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. aymano musalay ballara wallahi sigire de kirgodi igi sigir tabartentente furta jay bon du alfaray bon boray bon du labo an labari yan du niger labo labari yan du furta jay du zank ta jay kan turnga ka du gundu koyay du izinya koyay du far koyay du kur koyay allah rigo du bon fere cimcim woni aiga fo iba kango nyamai aiga fo hawai me haw kango kwarta nyamai ay ga nya gudfo I go fo sumana ay mayo burem sumai kango gari ma senni belle yara walla irgi hangan gumo gumo mo ay gogani hangan ida igo girton ton gumo zama bon fere irgo ga ma bon fere iga gumo gumo yenna dum ala irga ma ni kwarar kulu irgi mara tidio ga e nonge kulu za nyeme za hey nongo kulu labar kulu kan fur hala irga mara borfoga kulu ir mara tidio kalanguga eh, ir shabu ago girton ton gumo gumo labar kulu aga no irgo mo ay gonda nyartu ago ay goga fo ay goga bani aresi ago yongo zagaga dan buraima ago zaga garan kulu ay go gi fo ay go gi bani Nda mai gari ay go ago ko baje ay go ga fo ay go ga bani wa ku go tugunu sai go kana fo ay go kana bani mari sale balle yara ay go gadi hagan kim kim wane to wallahi wakkan hankan iri go fahamda ga bago mo zami go gi no bere iri go gudu ido bere iri go gudu ido ga kisine zam kun zamano kalangu an murado kul feri ay kul kan go gite ni zella bora ma ame iri go ma iri go gidi iri go gani fo mo go gani fo ndo go iri ko karo suro ki go gidan gir fa bo gai feri nda irgo faham gum wallahi irgo ka hanganiya amma gunir gudu na ba tai kai mun kita tari wani ya kulli go gudu wai zan ka kai nai dai kan goyi gayan kulli irgo ka faham da hanki go gidin sai za wanda yayi za aru sai za sa tarai ka irin ya nai ai kul kan go gite jar irgo ma irgo go sabi sun ga kawo girbin ai feri biyar kan sigina amino asi kalba sora ta sora ai gan foi gan ba an hai gan ganin zan kai kul fo ba fondo wai ai go gani foi go gani ba an ha ay ber fogo nyamai nga mo halin wada yantala Habizu ro na ko nga mai woga fai woga ni ba ni ha dinga ninga san kai dinga gork sine kula woga ni fai woga ni ba ni ha ay gonda yar mu kango pe yi ba ko mar sano be na ga nera ay goga ni fai woga ni ba ni ha ay fondo goy sabiya mu toydo ay go kala go bore ma ame fodi ko karo du suro ki goga da giri mo ngai ferin sunana usman abubakar de garage departement de buza region de tawa dubun gaisuwa da fata alheri zuwa ga ma'aikata studio kalangu muna jin daɗin shirye-shiryen da suke yi sosai-sosai yana ƙayatar da mu kuma kanmu yana wayewa da mu da matanmu kowanne ana yi musu waye kanu yana muku fata alheri Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission Les Niger Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Husseini Disseno et moi-même Habiba Ahmed. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. Et oui, à la technique, euh, c'était tout simplement Mustapha Ayuba et Adam Adawaki était à l'édition. Excellente journée à vous. bye. bye.